Au niveau de la Sénélec, euh, les travaux qu'ils font, c'est de l'exploitation. L'exploitation, on ne peut pas le faire presque des marchés. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'urgence de l'exploitation de la DD est obligée d'appeler un prestataire. Parce qu'on ne peut pas comprendre, laisser le client dans le noir pour faire des appels d'offres. Ça, vraiment, on attire l'attention du monsieur le Président de la République que les organes de contrôle laissent la Sénélec faire travailler ces 8000 prestataires et leurs engagements qu'ils ont pris. On est venu pour un lancement d'un syndicat, syndicat national des collectifs agréés par la Sénélec. Regrouper les prestataires autour de l'essentiel pour accompagner la politique du DG. Si vous voyez, sur 8000 prestataires agréés, mes collègues sont là. Ils ont pris des engagements au niveau des banques, des engagements au niveau des concessionnaires pour la bonne marche du travail, de renforcer nos conditions de travail. On est des partenaires gagnants avec la On veut l'État nous assiste parce qu'aujourd'hui, l'État, on a entendu que le président de la République, actuellement, il est en train de financer les projets. Nous, aujourd'hui, on regroupe de 000 prestataires, plus de 000 et quelques vraiment nous sommes dans le besoin sur ça. 500 millions bobu ñuy tuddu ñun duñ ko mus nangu. parce que ñun ñofi fi nek a nekk. bu démé tay ba nga xamné ne liggéey nañu lépp ba mu xamné da naka normal na. bu len nexé ñu wax lolu mais 500 millions ñun buñu téyé ñun CNPAS. buñu wowé bép entrepreneur mu tok wóor yalla réew mi da koy santi nek nañu au nombre de 7000 ba 8000. entrepreneur yo xamné ne dañoo am sen agrément. tey jii nag entrepreneur dañoo tassaro fépp ci Sénégal. comme dañu Tassaro, won dañoo woté pour ñu bolo ndax mbolo moy doole. def suñu syndicat. pour bu ëllëgee buñu bëggé wax ñu mën a wax deuxièmement boo yi ñuy formé tamit ñu ngi ñaan état ñun ñu ngi formé ay xale xale yi di ñuy génn ñun ñoo leen di mujj embauché waat wala ñu forcé ñu yóbbu leen kon boog ministère de l'emploi et de la formation boobu nañu bàyyi xel te xam ne ñun ñu ngi formé ay xale ñoo ngi tàllal état loxo di tàllal directeur général loxo di tàllal réew mi loxo courant dafa yaatu léegi nag am na ay société étrangères yu ñëw ay ñeneen ñu ñëw bëgg a xëccoog ñun ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañu di employé ay sénégalais ñooy dañuy lànk taxaw nag liggéey parce que suñu réew ñun ñoo ko war a liggéey ñu former suñuy jeunes may ñaaxaat état pour mu bàyyi ñu xel jàppale ñu jàppale jeunesse si ñu yor au minimum on emploie soixante-dix mille jeunes